le forum du studio le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio Calamcom le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Une fois n'est pas coutume, ce soir, nous abordons ce forum avec euh, l'actualité hors du continent, avec euh, l'assassinat hier de l'ambassadeur russe en République de Turquie de la capitale turque. Ensuite, nous irons dans la capitale de l'Aïr à Agadez où le ministre du Tourisme Ahmed Boto réaffirme son engagement pour la reprise effective du tourisme dans toute la localité. Et enfin, la marche suivie des meetings de la société civile de demain mercredi divise déjà les différents acteurs de la société civile au Niger. Je le disais tantôt, l'ambassadeur russe en Turquie a été assassiné hier pendant qu'il prononçait un discours à l'occasion de l'ouverture d'une galerie à Ankara, la capitale turque. Cet assassinat intervient à un moment où les deux pays cherchent à calmer la tension qui règne après le bombardement d'un avion russe par l'armée aérienne turque. Quel impact cet état de fait peut-il engendrer sur les relations des deux pays Gungu Mohamed Antani s'est entretenu avec Issouf Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye, que je vous propose d'écouter. C'est vraiment regrettable que l'ambassadeur euh, André de euh, la Russie en Turquie soit assassiné et surtout la manière dont ça a été fait euh, explique un peu pourquoi ça a eu lieu. Parce qu'il a été tué par un policier en civil habillé correctement en costume. Donc lui, il était en train de discourir à l'occasion de l'inauguration d'une galerie et à bout portant, il a tiré d'abord en l'air et ensuite sur l'ambassadeur. Donc en principe, il n'y a pas d'impact négatif mais ça va inquiéter davantage les chancelleries. Pour dire que personne n'est à l'abri euh, d'un attentat, parce que ça a eu lieu au moment où encore en Allemagne un camion est rentré dans un marché. Donc euh, la Russie et la Turquie avaient eu un grand problème il y a moins d'un an, quand l'avion euh, russe a été intercepté et, bombardé, je peux dire, par la chasse turque, donc ça, ça a créé un grand problème entre eux, retrait diplomatique, c'est des voisins, retrait des aspects commerciaux et tout. Voilà que après qu'ils ont commencé à s'entendre. Cela arrive. Et aussi, ce qui prouve qu'il n'y a pas un grand changement. Il y a une réunion tripartite euh, euh, euh, en Russie entre les Russes, l'Iran et la Turquie, et qui doit commencer aujourd'hui. Cette réunion n'a pas été reportée. Ils sont en train de se consulter par rapport au problème de la Syrie. Donc cela prouve que vraiment, il n'y a pas un impact négatif. Mais c'est sûr que la Russie va sortir en insécurité en Turquie. Mais là aussi, c'est un risque inévitable quand on sait que, après cette tentative de coup d'État en Turquie, des milliers de responsables ont été arrêtés, des milliers de journalistes, des, militaires, des policiers ont été arrêtés. Donc, euh, certains chercheront vraiment à faire échouer, on peut dire le terme vulgaire de gâter, les relations entre la Russie et la Turquie. Et ce tact là doit être pris en compte dans ce sens. Que ceux qui ont organisé cela, c'est pour nuire au rapport entre la Turquie et la Russie. Mais je pense que ce serait plutôt l'inverse. Ça va renforcer le rapport. cest que la Russie va chercher à intervenir maintenant au niveau de la sécurité turque. Donc ça va renforcer la lutte anti euh, antiterroriste. Quand ce qui a pas longtemps aussi, un attentat qui a tué plus de 30 personnes en Turquie. Par rapport au, rapport de deux pays, comme j'ai dit, euh, il n'y aura pas un grand changement. Ici, il y a un changement et sera positif, mais pas négatif. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais le monsieur, avant de tirer, il a dit qu'il venge ce que la Russie a bombardé à Alep. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est un partisan, ce qu'on appelle comme révolutionnaire, en Syrie. Donc euh, la Russie est intervenue et le gouvernement syrien a eu le dessus. Donc euh, maintenant, il veut montrer à la Russie qu'il ne peut pas aller en Russie attaquer certains sabres euh, russes, mais là où ils sont, ils vont les attaquer. Cela suppose que les ambassadeurs russes peuvent ne pas être en sécurité un peu partout au Moyen-Orient. Merci. Excellent. C'était là Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye, relativement à l'assassinat hier de l'ambassadeur russe en République de Turquie, de la capitale turque, Ankara. Avec euh, l'arrivée du vol charter à Agadez dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre Agadez-Sokni, l'espoir renaît pour une reprise effective des, activités du tourisme qui ont une importance dans la région. Le ministre du Tourisme s'est dit prêt à déployer beaucoup d'efforts pour que cette activité autrefois génératrice de revenus pour la région d'Agadez démarre. Le ministre Ahmed Boto il est interrogé par euh, Moussa Mahaman, notre correspondant à Agadez. Bon, merci beaucoup. Notre ministère euh, se déploie d'arrache-pied pour euh, ramener l'activité touristique dans le Niger en général et dans la région d'Agadez en particulier. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les conditions sécuritaires ne nous permettent pas de faire venir les touristes comme on le souhaite. Mais la démonstration qui a été faite avec euh, avec euh, l'occasion que nous a offert le 12 décembre pour faire venir un charter ici nous rassure et montre à nos à nos à nos partenaires que les conditions de sécurité sont en train d'être réunies pour que le tourisme puisse reprendre sa place dans notre économie. Vous n'êtes pas sans savoir que l'activité touristique est une activité qui est extrêmement importante pour le Niger en général, pour la région Grèce en particulier. Et dans son discours, dans son discours à l'occasion de l'ouverture d'Agadez Sokni, le Premier ministre l'a rappelé que les activités touristiques vont reprendre, Inch'Allah. Le président l'a confirmé dans son discours à la nation. Donc je pense que c'est des occasions qu'on va saisir pour essayer de créer les conditions de la reprise des activités touristiques, étant entendu que le tourisme est un secteur transversal qui est d'une très grande importance dans la lutte contre la pauvreté. Et je pense que nous avons tout intérêt à ce que nous puissions mettre ensemble nos efforts, l'État et tous les opérateurs du tourisme et de l'hôtellerie, pour que le tourisme reprenne. Parce que c'est une activité qui a un impact certain, c'est une activité qui est levier d'une croissance, d'une forte croissance. Donc je pense que, compte tenu de, son importance dans l'économie nationale, on doit tout faire pour que le tourisme puisse reprendre, puisse reprendre dans l'intérêt commun, en tout cas, des Nigériens et de, nos visiteurs. On a vu le vol charter euh, dans cette activité du 18 décembre. On peut espérer que ce vol continue Nous souhaiterions bien que ce vol continue, mais nous allons d'abord euh, capitaliser donc euh, le résultat de cette, euh, de cette première expérience que nous venons de faire là pour essayer de voir dans quelles conditions on va essayer de requérir encore euh, nos partenaires pour l'organisation des second vol charter. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est que nos partenaires sont arrivés à Agadez et ils ont au moins la preuve que, dans une certaine mesure, en tout cas, les conditions sécuritaires sont réunies ou sont en train, en tout cas, d'être réunies pour que les vols charter puissent être possibles. Donc, nous n'allons pas décréter qu'on peut organiser des vols charter immédiatement, mais en tout cas, nous allons nous inscrire dans une dynamique évolutive qui doit consister à ce que nous puissions créer les conditions d'organisation d'un second charter, peut-être d'un troisième, et pourquoi pas l'année prochaine essayer de voir comment est-ce que on va essayer eh, d'organiser eh, une saison touristique eh, un peu plus réglementaire, bien sûr en prenant toutes les dispositions pour que il n'y ait aucun incident au cours de cette saison touristique-là. Donc c'est pour vous dire qu'en tout cas notre volonté est qu'on y arrive. Et je pense que de façon concertée avec euh, euh, avec l'État et les partenaires, donc les professionnels de ce secteur-là, nous allons essayer, avec les, et les populations aussi, nous allons essayer les conditions de créer, les conditions de reprise progressive de cette activité touristique, qui, qui est sans doute une des activités les plus importantes, en tout cas, pour notre région en particulier. Excellence, merci. Je vous en prie. C'était là le ministre du Tourisme Ahmed Boto qui réaffirma son engagement pour la renaissance de l'activité touristique dans la région d'Agadez. La suite de ce forum du studio Kalangou, un certain nombre d'acteurs de la société civile, organisateurs de la marche suivie de meetings de demain mercredi soir, étaient face à la presse ce matin au siège de la Confédération nigérienne de travail. Selon Moukela Halidou, l'un des organisateurs de la marche, l'objectif de ce point de presse est de faire le point des préparatifs de la marche suivie des meetings qu'ils organisent demain mercredi 21 décembre à Niamey et à l'intérieur euh, du pays. On l'écoute. Moukela, bonjour. Bonjour. Vous faites partie euh, de la coalition des acteurs de la société civile qui ont appelé à marcher demain. C'est quoi l'objet de cette euh, Assemblée générale Il faut dire que la rencontre de ce matin est un point de presse que nous avons organisé pour d'abord, dans un premier temps, rappeler à la population nigérienne que effectivement euh, la marche euh, prévue euh, le 21 décembre prochain, c'est-à-dire demain à partir de 15h, que cette marche-là, elle tient. Et nous avons également profité de l'occasion pour demander à toute la population, en tout cas de Niamey, puisque nous sommes à, Niamey, à sortir massivement, en tout cas pour dénoncer les travers qui ont été évoqués, c'est-à-dire garantir une éducation de qualité au Niger, créer les conditions d'une justice sociale, en tout cas pour tout le monde, créer les conditions de garantir la démocratie et également pour dire non, en tout cas, à la gabégie et à tout ce que nous sommes en train de constater, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme travers, en tout cas, auquel le pouvoir actuel est en train de nous soumettre. Voilà, euh, si vous voulez, les motivations, euh, en tout cas, du point de presse de ce matin et les points sur lesquels nous avons mis l'accent, c'est effectivement euh, la mobilisation et surtout le fait que le peuple nigérien doit sortir demain pour dire non à tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Moukel Halidou, est-ce que cette marche aura lieu à l'intérieur du pays comme à Niamey Oui, oui, au, fait, nous avons fait un appel à manifestation à l'endroit de toutes les régions euh, du Niger. Vous savez pertinemment qu'il y a des régions qui ne peuvent pas organiser de manifestations de rue euh, telles que la région de Difa. Nous avons été informés qu'à euh, que à Dosso, cette marche-là sera organisée. À Agadez également, en tout cas, la marche sera organisée. À Maradi aussi, et nous attendons incessamment les autres régions pour qu'elles nous confirment si elles ont pu avoir l'autorisation pour, entrer à les manifestations de demain. Pour dire qu'en réalité, la marche de demain est une marche nationale c'est pas une marche qui va se limiter seulement à Niamey, c'est une marche qui en tout cas est étendue aux autres régions du Niger. Ce Halidou, c'est pas la première fois que la société civile essaie d'organiser une marche suivie de meeting en Niamey, marche systématiquement interdite. Est-ce que vous avez l'autorisation pour manifester demain euh, Vous savez, en matière de manifestation de rue, il n'y a pas d'autorisation euh, préalable à donner aux organisations. C'est un système déclaratif. Nous avons fait la déclaration de manifestation, en tout cas qui a été déposée euh, depuis longtemps. Une déclaration qui, en principe, selon les textes, s'il y a des situations pouvant interdire la manifestation, la ville de Niamey aurait pu euh, nous faire cette notification. Mais comme je l'ai dit, pour une manifestation de rue euh, telle que la marche que nous projetons d'organiser demain, il n'y a pas d'autorisation à donner et il n'y a euh, aucune raison à ce qu'on puisse nous empêcher, n'est-ce pas, de jouir de notre droit constitutionnel parce que les manifestations sur la voie publique sont reconnues par la Constitution. La liberté d'expression, elle est reconnue par la Constitution. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'un régime démocratiquement élu, en tout cas, puisse nous empêcher de jouir de cette démocratie-là. Et si d'ici ce soir, le maire central de la ville de Niamey interdit euh, cette euh, manifestation. Euh, si d'ici le soir, ils prennent une autorisation ou j'allais dire une décision d'interdiction de la manifestation, nous, organisateurs, en tout cas, nous allons nous retrouver et nous allons nous revoir pour voir, en tout cas, la conduite à tenir. Mais ce qui est sûr, je ne pense pas si nous allons arriver à ça. Je crois quand même que le pouvoir a tellement compris que le peuple a soif de sortir, le peuple a soif de s'exprimer et ils ne vont pas empêcher au peuple de s'exprimer. Je crois quand même que le maire central et toutes les autorités, en tout cas, compétentes à la matière ne vont pas empêcher au peuple nigérien de sortir demain. Et sur le fond Comme je l'ai dit, sur le fond, nous allons nous retrouver et nous allons euh, en tout cas nous donner une euh, nouvelle conduite à tenir, Inch'Allah. Qui sont les acteurs de la société civile qui ont appelé à manifester demain En fait, il faut dire que c'est euh, en tout cas des associations, des ONG, des syndicats, les commerçants, presque toutes les couches en tout cas euh, socio-professionnelles de notre pays font partie de cette organisation. Comme vous l'avez vu, c'est ça la différence avec les autres regroupements. Cette fois-ci, en tout cas, tout le monde est concerné, y compris les syndicats, les associations, les ONG, même les partis politiques, qu'ils soient de la, de la majorité ou de l'opposition. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une activité euh, citoyenne qui est en train d'être organisée. Donc tout le monde est organisateur, tout le monde fait partie de cette organisation et tout le monde fait appel en tout cas à, faire appel à cette manifestation. Donc pour dire qu'en réalité, tout le monde en tout cas est organisateur de la manifestation de demain. Moukela Halidou, vous ne craignez pas qu'on vous taxe de mener une lutte qui n'est pas la vôtre, une lutte d'opposition Non, écoutez, écoutez, je pense quand même que euh, dans l'histoire euh, euh, récente de notre pays, on sait que ce sont les organisations de la société civile qui ont créé les conditions de pérenniser en tout cas la démocratie de notre pays. Donc aujourd'hui, je me vois à mal que le régime puisse taxer cette manifestation d'être manipulée parce que dans tous les cas, comme nous l'avons dit, c'est un appel citoyen et y compris eux. Moi, à la place du gouvernement aujourd'hui, le chef du gouvernement aurait pu être le premier citoyen à être dehors en tout cas demain à partir de 15h pour effectivement être au côtés du peuple nigérien. Comme je l'ai dit, c'est une manifestation du peuple nigérien. C'est la population qui veut s'exprimer demain. Il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse taxer X ou Y. Comme nous l'avons dit, tous les citoyens et toutes les citoyennes sont appelés à manifester demain. Donc, il n'y a pas de raison à ce que cette manifestation puisse être taxée. Dans tous les cas, comme nous l'avons dit, hier encore, ils étaient dans la rue, comme aujourd'hui. Euh, en tout cas, euh, la société civile est encore dans la rue. La société civile était à l'avant-garde de la démocratie. Hier, aujourd'hui, elle est là. Demain, elle sera encore là. Donc, quel qu'en soit le régime, quel qu'en soit le système qui est sur place, qu'ils comprennent que, effectivement, cette société civile-là, que ce soit les mêmes acteurs, que ce soit d'autres acteurs, dans tous les cas, il y aura toujours, en tout cas, cette société civile qui sera, en tout cas, debout, qui sera prête à faire obstacle, en tout cas, à tout boycott ou, j'allais dire, à toute euh, euh de la démocratie nigérienne. C'était la Munkela Halidou, secrétaire général du SINASEB, un des organisateurs de la marche suivie des meetings de demain, mercredi 21 décembre. Selon certaines organisations de la société civile, cette manifestation prévue pour demain n'est pas opportune. Lawali Adamou est coordonnateur du mouvement actif pour le progrès et porte-parole des structures. Il explique au micro du Ashmana China. Je suis tout à fait d'accord à ce que les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec une certaine démarche, montrent leur mécontentement par des actions comme la marche, la grève et autres, parce que c'est constitutionnel, c'est la Constitution qui l'a autorisé. Mais quand même, par rapport à cet appel de marche de demain, mercredi 21 à 15h, projeté par certains, j'ai dit très bien, certains amis de la société civile nigérienne, nous nous sommes opposés. Nous nous sommes opposés pour des raisons qui nous sont personnelles et des raisons qui sont propres à nous que nous voulons défendre. Parce que tous les points que ces amis-là ont suggérés pour organiser cette marche-là et toutes leurs revendications, nous, nous les avons pris en charge dès les premières heures, au moment où c'était chaud, au moment où la population nigérienne les sentait dans leur chair. Et c'est en ce temps-là que nous, nous sommes sortis accompagner tous ces jeunes-là dans leur démarche pour qu'il y ait un consensus et pour que le gouvernement puisse nous entendre. Mais très malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu que ces amis-là sont en train de vouloir récupérer ce combat que nous, nous avons mené avec d'abord les déguerpis, que nous, nous sommes sortis aux premières heures avec les victimes de déguerpissements, là pour parler et pour nous prononcer à travers plusieurs médias de la place, que ce soit public ou privé. Par par rapport aux jeunes victimes de l'annulation du concours de la santé publique. Un licenciement abusif des agents des finances. Ça, on en a parlé. Par rapport au licenciement de 2000 contracteurs de la mairie. Par rapport aux actions que les euh, vendeurs de bois ont menées à la veille de la fête de Tabaski quand le gouverneur s'entêtait que, que les véhicules de bois ne retrouvaient pas de la ville de Niamey. Par rapport à la situation scolaire, nous, nous étions aux premières heures avec ces mêmes acteurs. On était en train de les accompagner dans leur démarche. On était en train de les accompagner dans leur communication. Mais en ce temps-là, certains journalistes se demandaient où sont les acteurs de la société civile. Nous, nous leur disons il faut aller les chercher là où sont cachés. Et très malheureusement, je dis très malheureusement, aujourd'hui, ces gens-là qui appellent à la marche, ils n'ont pas la qualité, ils ne sont pas des gens qualifiés. Pour nous, ce pas des gens qui sont là pour répondre au nom de la société civile, mais c'est des gens qui sont là pour assouffrir d'autres besoins personnels à eux. Parce que c'est des gens qui sont là derrière une autre coloration, soit politique ou bien soit pour redorer leur blason au niveau de, à travers les bailleurs de fonds qui les donnent les financements. On les connaît tous, on se connaît dans ce pays-là et on connaît qui est acteur de la société civile, qui n'est pas acteur de la société civile. C'est vrai, nous tous, on nous projette des mots, on dit que vous êtes pour ceci, vous êtes pour cela, mais moi, je suis d'accord et je supporte. Et les structures dont nous nous supportons, qui sommes avec nous, dont nous nous sommes les porte-parole, nous avons dit que cette marche-là, elle n'est pas opportune. Cette marche-là devrait se faire dès les premières heures où les gens sentaient ça dans leur chair. Aujourd'hui, qu'il y a eu des négociations avec les syndicats des enseignants du secteur de l'enseignement éducatif, avec le pouvoir, et que vraiment des résolutions ont été prises. Aujourd'hui, que les victimes de différents concours, nous sommes en train de voir avec le ministère de la Santé publique, vous avez vu des mesures que le ministre de la Santé publique actuel est en train de prendre. Tout ça, c'est pour remédier à l'annulation de ce concours de la santé publique. Pour vous, les, les motifs avancé par ces organisations ne sont pas réalistes Les motifs, j'ai dit, ce sont les motifs que nous, nous avons défendus aux premières heures. Mais pourquoi nous, nous avons demandé à la population nigérienne de sortir pour la marche Parce que nous, nous savons que si aux premières heures, nous avons demandé aux à la population de Niamey de sortir, la population va sortir. Mais nous, nous avons une autre vision derrière nous. Sortir aujourd'hui dans la ville de Niamey, c'est pas une bonne chose. Et faire sortir des gens qui sont déjà mécontents, c'est pas une bonne chose. Compte tenu de toutes les relations que vous êtes en train, que vous avez dans la ville de Niamey, les grandes artères qui sont euh, allumées aujourd'hui, on a mis des lampadaires, on a mis des des faits optiques. On a fait des ronds-points lumineux. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un qui est mieux content pour sortir, la finalité de cette marche-là sera la casse. Et puis, on va encore remettre le pays en arrière. On va remettre l'embellissement de la ville de Niamey en arrière. Et c'est pour ça que nous, nous avons réfléchi. Nous avons dit qu'il y aura une autre manière en de communication pour appeler le pouvoir public, pour appeler le régime en place, de voir les difficultés dans lesquelles se trouve la population nigérienne et plus précisément celle de la ville de Niamey pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates afin d'éviter certaines choses et que les mouvements d'humeur qui sont dans les euh, cœurs des gens soit abaissé. Donc aujourd'hui, nous pensons que ces amis-là de la société civile, ils n'ont pas la qualité parce qu'on ne les a pas vus le moment opportun sur le terrain. C'est pour ça que nous avons dit à la population, vraiment, déjà le vin est tiré. Maintenant, tout le monde est calme. Des résolutions ont été prises avec le secteur éducatif. Vraiment, nous appelons à tout le monde de rester et de prier Dieu pour que tous les engagements que l'État a pris vis-à-vis -vis de tous ces problèmes-là soient accomplis et que nous souhaitons que vraiment ça soit accompli. C'était là Lawali Adamou, coordonnateur du mouvement actif pour le progrès. Selon lui, la marche suivie de meetings qu'organisent certains acteurs de la société civile est tout simplement inopportune. Les travaux d'élaboration d'un fichier électoral biométrique par le nouveau comité mis en place par le ministre de l'Intérieur se poursuivent activement, selon le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique, Yahya Garba, lui-même membre du comité. Toutes les dispositions seront prises par ce comité pour doter le Niger d'un bon fichier électoral biométrique pour les élections à venir. On l'écoute ce que nous nous retenons au niveau des acteurs électoraux, euh, surtout au niveau des partis politiques, fichiers biométriques, c'est quand même un fichier fiable. Il est fiable parce que euh, il est établi sur la base des, signes biologiques, les empreintes, l'iris. C'est des euh, normes qui permettent quand même d'éliminer au maximum les possibilités de fraude. Parce que si par exemple c'est sur la base des empreintes digitales, on sait que tout celui qui a reçu à avoir sa carte, on est sûr que c'est vraiment la personne, c'est de la personne qu'il s'agit. Contrairement aux fichiers classiques, où la même personne peut utiliser plusieurs cartes, même sur la base de la photo, ce n'est pas évident. Alors il y, a, beaucoup de fraudes au niveau des fichiers classiques. Maintenant, c'est d'ailleurs la norme. Aujourd'hui, euh, si vous regardez, à travers le monde entier, on est en train d'aller vers la biométrie pour garantir justement cette fiabilité du, du fichier électoral, parce que le recensement électoral, c'est la phase, la phase la plus importante dans le processus euh, des élections. C'est vraiment la phase à partir de laquelle on peut garantir la crédibilité et la fiabilité du scrutin. C'est aussi la, la phase où on peut, on peut tricher. C'est la phase euh, où certains malicieux peuvent introduire euh, des cartes fictives ou bien opérer des votes multiples. Alors l'avantage de la biométrie, euh, c'est que à, tous les deux niveaux, il y a l'usage de la biométrie. Au niveau du recensement lui-même, c'est sur la base de la biométrie, sur la base des empreintes digitales. On est sûr que c'est vraiment les gens qui sont recensés. Il s'agit des personnes dont les noms sont portés sur les cartes et c'est vraiment les personnes ou les électeurs réels. Ça, c'est le premier niveau. Mais l'avantage, c'est que même au niveau du, vote, le jour du vote, la biométrie est utilisée. Donc, vraiment, sur toute la chaîne, vraiment, on s'est entouré de précautions pour assurer la fiabilité du scrutin. Voilà, de façon approximative, euh, ce que nous, nous comprenons du fichier électoral biométrique. Vous êtes à quel niveau par rapport à ce fichier Depuis 2011, juste euh, un an après les élections de la transition, le CNDP, le Conseil national de dialogue politique, s'est attelé euh, à la réflexion sur le fichier électoral biométrique. Parce que tous les acteurs politiques, tous les partis politiques étaient d'accord que mm, les fichiers classiques ne sont pas du tout fiables. Alors il fallait aller vers la biométrie. C'est pourquoi le CNDP et le gouvernement se sont entendus pour l'élaboration d'un fichier électoral biométrique. Le projet a été enclenché jusqu'à un certain niveau, mais malheureusement, il y a des contraintes euh, temporelles et des contraintes techniques qui ont fait que toujours le même cadre du CNDP, quand je dis le CNDP, c'est les partis politiques et le gouvernement, ont reconnu qu'il était impossible d'élaborer le fichier électoral biométrique. Et ça, le CNDP n'était pas seul, le gouvernement n'était pas seul dans, la démarche. Il y avait les partenaires du Niger, les experts, qui ont contribué au financement de l'élaboration du fichier électro biométrique, mais surtout qui ont apporté leur expertise. Et c'est justement les experts du TNUD qui ont expliqué au CNDP, et au gouvernement, que le temps qui restait était impossible compte tenu de certaines contraintes. Il fallait faire un avis d'appel d'offres international et il y avait aussi même certaines contraintes, même par rapport au processus de version du fichier électoral. Les experts ont dit qu'il était impossible. Le temps qui restait, qui nous séparait des élections, n'était pas suffisant pour l'élaboration du fichier électoral biométrique. Alors là, on a dit, heureusement d'ailleurs que le Code électoral du Niger a prévu une telle situation un article du code électoral qui dit en cas de non-élaboration du fichier électoral biométrique, on peut faire recours au fichier classique. Alors là, on a été obligé de revenir et de faire recours à notre fichier classique qu'on a révisé parce que là aussi la révision elle est, elle est prévue par la loi. Et on est allé euh, aux élections sur la base du fichier électoral classique, les dernières élections. Relativement au fichier électoral classique, qu'en est-il de la reconduction des acteurs Pour les membres du CFEB, je pense que déjà le, comité du fichier électoral biométrique CFEB, euh, il a déjà été remercié parce que quand on n'a pas pu élaborer le fichier électoral biométrique, les membres du comité du CFEB ont élaboré un fichier classique. Alors, il est vrai que les techniciens ont dit que le fichier classique, c'est une étape pour aller au fichier électoral biométrique. Mais j'ai cru comprendre que les membres du fichier électoral biométrique ont été libérés parce que là, le, le CFEB ne siège plus. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du, du CNDP et au niveau du gouvernement, on a relancé l'idée d'élaboration du fichier électoral biométrique à l'issue des dernières réunions du CNDP. À l'occasion de cette dernière réunion du CNDP, exactement le 4 octobre et le 6 octobre, la CENI, le CNDP, le gouvernement, en tout cas au, au cours d'une consultation, il a été fait le constat que le fichier classique ne donnait pas de garantie. Ça, on était tous unanimes là-dessus. Et c'est pourquoi, avec le report des élections locales, parce que là, il faut, le signaler aussi. À quelle date Les élections locales ont été reportées. Là aussi, après consultation des partis politiques et de la CENI. Les élections locales ont été reportées. Le Code général de collectivités, le nouveau qui a été adopté à, l'Assemblée nationale, il dit que le, mandat des conseillers peut être reporté de six mois renouvelable, mais la durée du mandat, de la prolongation, de cette prorogation, ne doit pas dépasser la durée d'un mandat. Ça veut dire que euh, les élections locales peuvent se tenir, c'est pas dans deux ans, dans trois ans. Il y a une série de reports de six mois qu'on peut faire chaque fois qu'on est arrivé à terme du mandat de conseiller. Donc la durée pour la tenue des élections locales, ça peut être trois ans, deux ans et demi, on ne sait jamais. Toujours le truc. Au niveau du, du CNDP, il y a quand même une décision qui a été prise. Celle qui consiste à élaborer les fichiers électoraux biométriques. Parce que c'est tout dépendra du règlement de cette question d'élaboration du fichier électoral biométrique. Dès que le fichier électoral biométrique sera prêt, je suis sûr que les élections locales seront programmées. Par rapport à ce processus d'élaboration du fichier électoral biométrique, les mêmes réunions du CNDP ont décidé de la création de deux comités, un comité technique au de l'Intérieur et un, autre comité au niveau du CNDP, justement, pour réfléchir sur l'élaboration du fichier électoral biométrique, entre autres, parce qu'il y a quand même plusieurs réformes, toujours sur les dispositifs électoral, et pour le perfectionner et pour le rendre plus fiable. Je vous rappelle que la CENI après les élections de 2016, a demandé une évaluation. C'est comme ça que ça se passe. Après chaque élection, la CENI elle-même, elle fait des recommandations. Mais cette fois-ci, la CENI a même demandé une euh, évaluation de l'OIF. Alors l'OIF, après son évaluation, a organisé un atelier, cette fois-ci qui a été organisé avec tous les acteurs politiques, la classe politique, les partis politiques, je vais dire, la société civile, et les partenaires du Niger en matière électorale et la CENI et les membres même du CFEB étaient là pour la présentation de, toutes les recommandations par rapport au processus ou bien par rapport au système électoral nigérien. Il est ressorti beaucoup de lacunes. Et entre autres lacunes, le fichier classique, selon cette évaluation, doit être euh, banni. Alors on s'est dit qu'avec le report des élections, on a le temps, on a la possibilité, cette fois-ci, de revenir, en sur le processus, sur la question de l'élaboration du fichier biométrique. À ce niveau, tous les acteurs politiques connaissent bien les lacunes du système électoral Niger. Tous les acteurs politiques connaissent là où il faut toucher si on veut rendre plus fiable, si on veut perfectionner le système électoral Niger. Une des réformes importantes, c'est vraiment le fichier. Alors, on est maintenant dans le processus de l'élaboration du fichier biométrique. Actuellement, le comité du CNDP est mis en place et le comité du CNDP, lui, il euh, prend le relais. Pourquoi le CNDP Pourquoi le CNDP Parce que c'est quand même les partis politiques qui font les compétitions électorales. Dès lors que le fichier électoral, dès qu'il a l'approbation de la classe politique, des partis politiques, je pense qu'on a déjà gagné dans l'organisation des élections euh, dans des conditions euh, honnêtes, dans des conditions de, de transparence, dès lors que tous les compétiteurs s'accordent sur la fiabilité et du fichier électoral. Mais c'est aussi une tradition toutes les lois électorales, tout texte électoral, quand même passe par euh, le CNDP pour avoir son approbation. Ça a toujours été comme ça et depuis la création du, CNDP. Mais l'autre avantage du CNDP, c'est qu'au niveau du CNDP, même dans ce comité technique, les différents blocs de partis, ils sont représentés. Il y a les, la majorité, il y a l'opposition, il y a les non-affiliés, maintenant avec euh, certains techniciens du, ministère de l'Intérieur. Alors c'est une façon même de, donner une caution, une caution aux, travaux du ministère de l'Intérieur. Dans tous les cas, au niveau du comité du CNDP, toutes les propositions du ministère de l'Intérieur seront parcourues une à une. Et comme ça, le comité du CNDP eh, va faire des propositions il va lui aussi s'assurer, s'assurer que bon, les textes ne favorisent pas un parti, un côté ou un autre. Il n'y a, rien de caché. Et à la fin des travaux du comité, donc, certainement une session du CNDP sera convoquée. Alors là, cette fois-ci où il y aura tous les partis politiques et ensemble, tous les partis politiques vont découvrir le contenu et ils vont s'accorder sur toutes les propositions des réformes avant d'envoyer le texte, euh, avant de le retourner au, niveau du gouvernement qui va l'envoyer à l'Assemblée pour euh, l'adopter sous forme de loi. Voilà un peu euh, là où nous sommes présentement, c'est à ce stade que nous sommes. le comité du CNDP vient d'être installé et puis il a eu les conclusions. Le Premier ministre nous a, le président du CNDP nous a envoyé les conclusions euh, du ministère de l'Intérieur qui, lui a été remise officiellement. Et les partis politiques vont se pencher sur ces propositions. Les partis politiques vont parcourir euh, toutes ces réformes afin de les accepter ou bien de faire des observations parce que le comité du CNDP peut aussi mm, remettre en cause certaines propositions du ministère de l'Intérieur. Parce que le souci, c'est d'avoir un texte consensuel. OK Une sorte de compromis au niveau des de tous les partis politiques. Ça veut dire que la classe politique pense supprimer carrément le fichier classique. Le code électoral euh, qui est en vigueur, il a prévu une disposition qui dit que si le fichier électoral n'est pas prêt, on peut utiliser le fichier classique. Donc, on ne peut pas supprimer le fichier classique. Le fichier classique est toujours là parce que c'est juste une question de fiabilité. Mais ce n'est pas que le fichier classique n'est pas valable. Mieux encore, le fichier classique, c'est une étape du fichier électoral biométrique. Parce que si on veut faire le fichier, électoral biométrique, il faut passer par euh, le fichier classique. Parce que, bon, c'est l'enrôlement des, électeurs. Donc, il faut faire l'enrôlement des électeurs avec le fichier électoral euh, classique. Maintenant, la deuxième phase, elle passe à la biométrisation du système. Donc, euh, le fichier classique, je vous dis, il est toujours là. Et d'ailleurs, la loi en parle. Elle dit que bon, quand le fichier biométrique n'est pas prêt, on utilise le fichier classique. Donc notre fichier classique de 2016, il est toujours là. Il est encore valable, il ne s'est pas égaré. Parce que, indépendamment de la biométrie, lui-même le fichier classique, la loi dit que dans l'année, sur deux mois, je pense en septembre, à partir de septembre, on doit toujours procéder à chaque année à la révision pour actualiser le fichier classique. Ça veut dire qu'à tout moment, le fichier classique est prêt, on peut l'utiliser, on peut, on peut aller aux élections sur la base de fichiers. C'est pour vous dire que bon, le fichier classique est toujours là. Il faut toujours avoir un fichier euh, à côté. Il faut toujours avoir un fichier euh, classique, soit-il. Il faut toujours quand même disposer d'un fichier électoral. Voilà. Dites-nous, la CENI reste-t-elle toujours active jusqu'aux élections locales La loi dit après deux mois, la CENI rédige son rapport général. Ou bien après la remise du rapport, euh, elle a deux mois pour rédiger, son rapport. C'est ça après le, le scrutin. Pour la CENI, c'est après le scrutin, elle a deux mois pour rédiger son rapport. Le ministre de l'Intérieur a écrit, j'ai appris, justement, il a écrit pour la CENI que sa mission prend fin le 31 décembre. Mais retenez que c'est par rapport à cette disposition de la loi. C'était la Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique relativement aux travaux du comité d'élaboration du tout nouveau fichier électoral biométrique pour les prochaines élections à venir. Il est interrogé par Tou Ibrahim Gadou. Intéressons-nous euh, euh, maintenant par à la lutte euh, traditionnelle, la lutte traditionnelle qui est le sport le plus aimé au Niger. La 33, la 38e édition du sabre national aura lieu à Tawa du 25 décembre 2016 au 3 janvier 2017. Malam Barka Akuda est le directeur technique national de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Il retrace l'historique de cette discipline, il est interrogé par Soumana Amadou. Euh, la lutte à pour origine, elle fait partie des activités physiques traditionnelles euh, du territoire nigérien. Elle fait partie de nos valeurs culturelles, des jeux et sports traditionnels, euh, donc légués par nos grands-parents. Quelle est la communauté qui pratiquait plus la lutte À un certain moment, on observait la lutte dans la zone à allant du Nigeria vers jusqu'à la région de Dosso. En général, c'est la communauté Hausa, mais à partir de 1975, il y a eu cette uniformisation des règles pour permettre à tout le Niger, que tu soit Germain, Hausa, tel, Touareg, autres, de pratiquer la lutte traditionnelle à travers le code de la lutte. Est-ce qu'il y a une différence de pratique de la lutte au Niger Oui, donc euh, ça, vous parlez des formes de lutte. Chaque société a ces variétés sur les jeux traditionnels. Donc, euh, euh, la lutte en elle seule, avant pu identifier euh, en 2005 et trois fois de lutte. Il y a la lutte de Boudouma, de Bosso, Nigimi et jusqu'au Lacat, avec Kokoma, et, et Zender, et Maradi, Tawa et, et Dosso. Et a la lutte des Touaregs donc, euh, la différence entre ces formes de lutte, c'est à travers l'instrument, les règles qui sont des règles euh, qui appartiennent à une société, et surtout les instruments qui accompagnent, les musiques qui accompagnent ces différentes formes de lutte. Voilà les différentes formes de lutte que nous avons connues ici au Niger. Mais au Cameroun, par exemple, il y a au moins six formes de lutte pratiquées par différentes sociétés traditionnelles. Au Sénégal, vous avez, on a, ils ont notre lutte euh, euh, COCOA et la lutte avec frappe, celle qui rapporte des centaines de millions. Mhm. Voilà les différentes formes. Je peux faire des différentes formes à travers euh, la zone CDAO. Est-ce que les lutteurs, ils peuvent vivre de leur lutte Oui, au moment où dans sa forme typiquement traditionnelle, dans sa forme jeu traditionnel, avec l'option du championnat national qui est devenu table national, avec euh, la valeur sportive, donc les différentes compétitions, les coupes des sociétés, coupes du président de la République, premier ministre et autres, c'est devenu vraiment, c'est comme on crée un emploi pour Ensuite, euh, vous avez parlé des instruments qui accompagnent la lutte. Oui, pour parler et les instruments traditionnels, vous savez, c'est un but du code. quelle que soit l'orientation qu'on va donner à la vie, on doit se dégager des valeurs traditionnelles. Donc le Kirari, la traditionnel, les, les walkis, les pintés qui sont des instruments. Il y a aussi des instruments musicaux comme le gundwa, kazagi, hein, le salé dans la de Bankoku. Et les applaudissements pour les boudouas. Et ils n'ont pas de tam-tam, ils n'ont rien. Et c'est à travers le droit des enfants, de leurs enfants et les gens se mettent à lutter, et tu te rends compte t'applaudir un petit peu. le Walam, c'est aussi un instrument avec lequel la, zone a pratiqué la lutte euh, dans le passé. Voilà ce qu'on peut dire sur les instruments. Mais sinon, les vrais instruments de lutte, on les observe dans euh, les régions de Zender, Maradi, Tawa, qui sont accompagnés par le Salewa. Quand tu prends le djembe, le shalom, le faka, tous les jeux traditionnels, on a l'habitude de prendre des racines, des feuilles, des arbres pour soi-disant la protection, pour avoir la chance. Sinon, il n'y a pas typiquement un système d'anti-dopage qui est lié à la lutte. Mais on a interdit aussi la prise des produits prohibés, c'est-à-dire euh, les produits qui peuvent doper. C'est interdit. Si on constate ça, vraiment, vous êtes disqualifié complètement. Si vous prenez même au Niger, quand tu vas à Vancouver et lutte avec la ceinture en corde, il faut prendre quelqu'un par la ceinture pour le terrasser, ce qui est dans la zone de Zender, et Tawa. Quand tu vas eh, au, Sénégal, Sénégal, y a une forme de lutte où c'est une forme de lutte accompagnée de coups de poing. Tu ramasses la jambe et tu accompagnes avec des coups de poing jusqu'à te casser la gueule. Donc, euh, la forme de la lutte dépend donc de la société dans laquelle elle est pratiquée. Toujours euh, par rapport euh, à la lutte traditionnelle, lors euh, du combat, il est recommandé à chaque lutteur de porter une tenue traditionnelle. Ces dernières années, on constate que plusieurs lutteurs ne portent plus la tenue dans les arènes. Retrouvons une fois de plus Malam Barka Akoda, directeur technique national de la lutte. Il explique le rituel et le code régissant la lutte traditionnelle au Niger. Il est toujours interrogé par Soumana Amadou. Le rituel regroupe tout ce qui est accoutrement, tout ce qui est instrument de musique, tout ce qui est geste, incantation euh, euh, du, du lutteur traditionnel. Et c'est ces valeurs-là qui font de notre lutte un précieux bijou à l'extérieur, à l'intérieur même à l'extérieur du pays. Vous allez voir des lutteurs en kilote. Si on dit lutte traditionnelle, il y a une tenue approprié pour ça. Ce qui impressionne eh, beaucoup eh, nos, nos supporters, c'est aussi la tenue. Hein. C'est vrai, il y a la force, il y a la technique, eh, mais le rituel là qui entoure la lutte, c'est ça que nous pouvons vendre à l'extérieur. Hein. On ne peut pas montrer à un blanc une culotte et un t-shirt débat. Non. Donc c'est pour cela. Dans le code, il est dit que tout lutteur doit obligatoirement se présenter dans euh, l'air de combat, en Walki et Banché en même temps pour donner vraiment la vraie tenue. Sauf les lutteurs, euh, par exemple le Boudouma, qui viennent euh, du lac Tchad. Et leur tradition, c'est pas le Walki, c'est la culotte en pagne comme euh, la culotte des Sénégalais. Tu sais, on ne pagne pas la culotte où on va au marché. Oui. C'est conçu à la main, tout ça là. Quand tu prends les lutteurs de Coucou, ils ont leur tenue hein, traditionnelle qui est différente de celle des, des, lutteurs de Zender et autres. Donc c'est tout ça là qu'on a compilé maintenant. Ce que nous, nous voulons proposer à tout le monde pour revaloriser notre lutte, c'est de d'être en tenue. Tout lutteur doit se présenter en walkie et Banchi, suivi de Banchi. Pas le Banchi et kilote, non, non, non. Les deux à la fois, les gris-gris et les kambous, quand on l'appelle qui sont des cordons magiques. Hein. Tout ça là, c'est ça là, la valeur du lutteur. Ils ont une manière de danser, ils ont une manière de faire le clari. Maintenant, le il a normalement, chaque lutteur traditionnel doit avoir les louanges de sa famille. C'est ça le clari. Mon père a été ceci, vous, vous êtes cela. Non. Voilà, tout ça là, on risque de perdre ça. Les gens ne font rien sur le plan traditionnel et c'est ça qui a tiqué notre, euh, euh, qui a attiré notre attention et l'attention aussi des spectateurs. On a uniformisé. Tous les lutteurs des autres régions connaissent bien le walki et le banchi. Ça c'est un. Mais le boudouma, ils ne connaissent pas le walki. C'est pour cela qu'on a fait exception dans les proportions des règles aux lutteurs Boudouma de la région de Difa qui se retrouve dans le lac Tchad. Et ils ont leur tenue. Quand tu dis à un Boudouma de mettre le walkie, c'est un problème, il ne peut pas. Il ne peut même pas bouger. C'était là Malam Barka Akoda, Akoda, euh, directeur technique national à la Fédération nigérienne de lutte au Niger. Et c'est ici que se referme euh, ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.